Il may wax ministère de l'environnement c'est pas pour rien avoir une transition écologique mhm. parce que la question de la transition écologique moi, lii mu mhm. il faut que nous organisions pour que lu ñu mu ñu maîtriser nous vraiment dans suñu économie parce que day phénomènes c'est des phénomènes qui peuvent arriver n'importe quel moment érosion côtière buy jël suuf bu muy jëlee non, noonu lay yàqi ndox bi parce que y a la mer qui entre avec les questions de salinité ndox bi xorom bi di dugg si ndox bi xorom bi di dugg donc boo xoolee yooyu yëpp ay yak yak la donc euh, il faut ñu xool nan la ñuy organiser dans le temps moi projection yi ngay wax pour lii ñuy gis muy ñëw ñuy xool ba fan lay si par rapport d'ici 2020, 2030, 2040, 2050 commencé aussi Google, li analyse macro nu analyse démographique euh, comme comme au Sénégal pour voir organiser loolu pour mon affaire, Sénégal gagne. donc loolu en tout cas euh, analyse yi l'UNIDEF def presque euh, partenaires yi mu société civile mu secteur privé mu aussi ministère, pour vraiment nous mettre en place une politique d'adaptation une politique qui nous permettre vraiment de commencer à internaliser risques parce que bon on est tous comme ni c'est même planète il faut une voir émission yi sinon nous.